sama gars suñu milieu de terrain international sénégalais bi di Pape Al gay dembu dafa def match bu contre Rayo Vallecano foofee ci Liga espagnole ba ba tax sax presse espagnole bi biñu di wax ne bi fa la parce que il a beaucoup de talent dembu dafa def une excellent match match bu incroyable ci milieu de terrain il est présent sur le duel il est présent il a remporté 17 duels il a récupéré beaucoup de ballons 10 récupérations. def nako 3 dribbles réussis lui di encore une fois Pape Alassane Gueye c'est un excellent milieu de terrain c'est un excellent euh, joueur de football donc il a 22 ans il a l'avenir devant lui c'est l'avenir euh, du milieu de terrain de Sénégal donc mon midi, Pap Pape Alassane Gueye Son attaquant bi midi Diallo il a tiré son épingle de jeu euh, passé donc il a claqué un doublé et mon Diallo donc il a égalé son nombre de buts en une saison de Ligue donc 12 euh, buts donc déjà saison bi demagul nous mu égaler record de buts en une saison donc 10 buts je pense qu'elle est déjà passée et que euh, l'Olympique euh, en tout cas il est il est dans dans le forme de sa vie donc c'est normal en tout cas. Euh, Aliou Cissé euh, warna naa ibbi tanière bi ci mars mois de mars bi euh, warna ko ci vraiment parce qu'il a mérité son place en équipe nationale du Sénégal ñu comprendre pourquoi Habib Diallo du monde mondial comprendre ñu mais Aliou doit le sélectionner et que et que voilà quoi également qui dit qui Sidi Sané le frère de roi Sané bi ñu tàyyee di wax ci moom Cissé équipe nationale du Sénégal il a à 19 ans et bi c'est un attaquant boo xamante ne mën manager joué manager également comme numéro 10 en tout cas c'est un excellent joueur également mon mi tamit vraiment vraiment il a beaucoup de talent ce gamin là euh, Alice il faut mon woko woko très rapidement bla ñu gay ñak comme euh, son frère le roi euh, Sané kon mbokk de lañ wax like di